en tant que responsable politique et conseil municipal, c'est de clarifier notre position sur le dossier de l'ancien site de la préfecture de Kowal. Je dois dire d'emblée que le maire et ses conseils sont en phase avec l'État qui a cédé vraiment au patrimoine, au titre privé, au titre foncier qui appartient à l'État, à un particulier et dans la légalité. Et ce particulier, ce, promoteur est un citoyen, je dois préciser que c'est un citoyen de Kowon. Donc nous, en tant que parti favorable à l'État, nous ne pouvons pas, vraiment, je ne sais pas encore, euh, discuter, vraiment, je ne sais pas, nous ne pouvons qu'être en phase avec vraiment l'État sur ce point. Donc c'est dire que bon, nous allons peut-être essayer de discuter avec ce dernier, vraiment pour que qui puisse réaliser sur ce site euh, une infrastructure d'utilité publique qui aura un intérêt pour la population de Kourou. Voilà la position du maire et ses conseils. Nous ne sommes pas derrière vraiment un quelconque collectif. Donc voilà la position que nous voulons vraiment, j'espère, dégager aujourd'hui. Nous de patrimoine de l'état ndax suñ dëkk bi au moins mun a avancé li xale yi wax nag ñun suñ yoon nekku ci engagé wu ñu promoteur bi su jotee institut bi ñu ngi koy tàllal loxo mu defaral ñu suñ kawoon gi ndax moom il est koona comme sax depuis 15 ans mu ngi fi dëkk ak ñun ñu ngi koy sàkku di ko tàllal loxo lépp loo xam ne mun na ko ci institut mu defal